forum district the forum district kalangu the forum district kalangu the forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwarategi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du Studio Kalangu s'intéresse aux innovations dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage au Niger. Avec nous pour euh, développer ce sujet, Ousmane Dantata, promoteur d'Afrique Fondation Jeune, une structure spécialisée dans la transformation du moringa. Il a aussi une grande expérience sur la fabrication des appareils qui produisent de la fraîcheur. Ousmane Dantata, bonsoir. Bonsoir. Nafisa Bana, promotrice euh, de l'entreprise Salma, spécialisée dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nafisa Bana, bonsoir. bonsoir. Avec nous également Hamissou Alassane, promoteur des hydro-rétenteurs. Cette innovation permet la rétention de l'humidité autour des jeunes plants et autres semis. Alassane Hamissou, bonsoir. Bonsoir. Au Niger, l'agriculture et l'élevage représentent près de la moitié du produit intérieur brut euh, du pays. Ce sont les deux mamelles de l'économie nigérienne. L'entrepreneuriat agricole intéresse désormais les jeunes nigériens qui développent des initiatives mettant en valeur des terres agricoles. Les meilleurs projets en matière d'innovation des applications peuvent s'adapter aux besoins de l'agriculture, de l'élevage et de tout ce qui compose la base productive euh, de notre population. L'intérêt pour notre pays, c'est d'appliquer la révolution technologique avec euh, le développement du numérique pour booster le développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Il a notamment été question de mettre l'innovation au service des activités agricoles et pastorales, principales sources de revenus des pays sahéliens. Ousmane Dantata, avant de rentrer dans le vif du sujet, donnez-nous d'abord un aperçu de votre structure Africa Fondation Jeune. Merci beaucoup. Afrique Fondation Jeunes en fait, est une organisation non gouvernementale, en tout cas au départ, reconnue en 2006 par les autorités nigériennes et nous travaillons à l'insertion des jeunes. Grâce au travail que nous avons pu faire, par exemple, dans l'accueil et l'orientation des jeunes, euh, le ministère de la formation professionnelle et euh, l'ONG suisse euh, Contact ont pu dupliquer notre expérience sur l'ensemble du pays dans les centres d'orientation des jeunes. Nous-mêmes, nous avons pu accueillir et orienter plus de 7000 jeunes dont 1000 jeunes ont été formés par nous dans 11 euh, corps de métier, dont euh, nous avons 300 jeunes à peu près qui ont aussi été formés dans le domaine de l'agro-business, euh, on va dire, et nous continuons encore nos, nos, travaux puisque nous accompagnons maintenant de plus en plus, en tout cas, des jeunes vers l'entrepreneuriat, vers l'idée qu'il faut qu'ils transforment vraiment le potentiel énorme qui existe, qui aujourd'hui, en tout cas, est bien reconnu au Niger. Donc, c'est sur ça que nous nous attelons. Tata, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à l'agriculture de façon générale Bon, moi, je suis euh, tombé dedans, euh, j'allais dire à la naissance, parce que mes parents étaient déjà passionnés d'agriculture. Mon père euh, a travaillé pendant toute sa vie presque pour euh, pour l'agriculture, notamment avec les coopératives. Donc très tôt, nous avons toujours vécu comme dans une sorte de ferme à la maison et nous étions tout le temps impliqués dans la production. voilà. Donc pour moi, ça a été c'est une passion, c'est vraiment une passion de tout le temps. C'était quelque chose qui m'a nourri, euh, même euh, après dans euh, mes activités professionnelles qui n'étaient pas agricoles, puisque moi j'ai eu une formation d'administrateur. Cela ne m'a pas empêché de toujours faire de l'agriculture, de, pratiquer de l'agriculture. Donc très tôt, j'ai voulu même quitter l'école pour créer une entreprise de, de, transformation agricole. Mais malheureusement, à l'époque, il n'y avait aucune structure pour accompagner les jeunes comme on peut en voir aujourd'hui. Donc j'ai dû travailler pendant 16 ans euh, dans une organisation internationale s'occupant de l'éducation. Et je me suis dit, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis des enfants que j'ai contribué à envoyer à l'école et dont je voyais vraiment que beaucoup n'allaient pas pouvoir s'insérer comme fonctionnaires. Donc je me suis dit, j'ai une responsabilité à venir pour créer, au lieu de créer mon entreprise, créer des entreprises avec les jeunes. Ce que nous essayons tant bien que mal de faire en ce moment. Soumandan Tata, en dehors de la transformation du Moringa, quels sont les autres secteurs d'activité d'Afrique euh, Fondation Jeune Qu'est-ce qui nous a amené vers euh, le Moringa C'est que les jeunes qu'on recevait, par exemple en 2008, nous avons reçu plus de 2000 jeunes qui étaient venus nous voir, on a fait des entretiens, etc. Et aucun de ces jeunes n'a demandé à faire de l'agriculture. Alors que moi, quand j'ai créé ma structure, je voulais faire de l'agriculture. Mais il n'y avait aucune demande d'aucun jeune. Quand on, a, on analyse le parcours des jeunes, on se rend compte que s'ils ne sont pas à la campagne, leurs parents sont nés à la campagne. Donc eux sont venus ou vivent en ville et rejettent l'agriculture. Parce qu'ils nous disent, si leurs parents sont dans une situation un peu de précarité, c'est à cause de l'agriculture qui n'a pas répondu euh, vraiment à l'attente de leur famille. Donc nous avons eu à réfléchir pour voir comment on peut ramener les jeunes. Donc c'est ce qui nous a amené vers, euh, vers le Moringa. On avait vu sa richesse vraiment en termes de sa richesse nutritionnelle. Donc en se disant un jeune, euh, en produisant, vous pouviez éliminer les risques de malnutrition dans votre famille vous pouviez, en, en vous nourrissant euh, et en nourrissant les jeunes autour de vous, donner un sens à votre vie même, parce que vous allez éloigner certaines maladies de votre famille. Nous avons ensuite vu que le moringa, rien qu'en le produisant, les feuilles, en les vendant vertes, elle rapporte euh, relativement un revenu non négligeable. Donc euh, ça, ça nous a amené à les. Certains se sont intéressés au fur et à mesure. On a commencé effectivement à développer euh, cette culture, à pouvoir également réfléchir sur la meilleure façon de faire. Donc aujourd'hui, nous savons que nous, nous avons la capacité, en tout cas, de, faire en sorte que sur un pied de moringa, que toutes les semaines on puisse récolter, hein, selon les strates de feuilles, etc. et les manières de faire. Donc on a développé une technicité autour de ça. On s'est rendu compte que si on transforme le moringa, on va donc en rajoutant de la valeur ajoutée, eh bien, on a des revenus encore plus importants. C'est ce qui fait que nous faisons euh, donc des thés à base de moringa, des thés euh, et des tisanes. Nous avons même euh, intéressé les jeunes à d'autres plantes. Donc en partant, le moringa était une porte d'entrée, mais aujourd'hui on s'intéresse à une gamme importante euh, de plantes qui sont à la fois intéressantes pour la nutrition des hommes, mais aussi des animaux. Notre cher ami euh, qui s'intéresse justement à l'alimentation du bétail, on a déjà eu à échanger, mais il y a effectivement un potentiel aussi lié justement à certains résidus de moringa qui sont utilisés, par exemple pour avoir plus de lait, euh, pour avoir une meilleure qualité du lait des animaux qu'on peut faire avec le moringa. En tout cas, aujourd'hui, un qui vient vers nous, euh, nous pouvons lui indiquer selon ce qu'il veut, d'accord, sur la chaîne de valeur du moringa. Celui qui cultive le moringa, ce n'est pas lui qui le récolte. Il y a des spécialistes pour récolter le moringa et le sécher. Celui qui sèche n'est pas celui qui va faire, par exemple, les différents mélanges. Il faut être un spécialiste de mélanges. Euh, c'est donc toute production à la chaîne. c'est une chaîne de valeur. Chacun met une valeur au travail que l'autre a fait. Donc, celui qui vend la boîte du thé de moringa à 2000 francs, qui est le commercial, donc il est dans la chaîne de valeur du moringa. Quand il vend à 2000 francs, il va par exemple prendre ses 300 francs et il remet les 1000, 1700 euh, francs pour celui qui a fait, par exemple, qui ont fait, ceux qui ont fait les emballages. Ceux qui ont fait les emballages vont prendre pour eux pour remettre jusqu'à ce que le producteur initial lui aussi prenne ce qui est de sa marge. Donc, euh, on démontre ainsi que, voilà, aujourd'hui, les euh, jeunes peuvent s'associer ou même s'ils ne s'associent pas, ils peuvent être dans une chaîne de valeur pour que un produit national, un produit de notre pays puisse être transformé et même euh, être consommé euh, dans des supermarchés. Aujourd'hui, nous sommes distribués en tout cas dans beaucoup de, grands centres euh, commerciaux et même on commence un peu à développer l'exportation. Sou Alassane, vous, vous êtes le promoteur d'hydro-rétenteur. Expliquez-nous ce que cela veut dire et son importance dans le secteur agricole. Ok, merci. les hydro en fait, c'est une technologie qui a été créée depuis 92. En 92, c'était en Californie. C'est suite, Californie, c'était c'est un, État qui ressemble un tout petit peu comme le nôtre. Les mêmes les, presque le même climat, ou en tout cas, euh, donc il y a eu des canicules. En ce moment, il y a une société qui par à part que les cultivateurs, en fait, les, horticulteurs qui font les fleurs, des comme ça, c'est par le que qu'ils perdent beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'évaporation. Donc ce produit a été développé pour aider ce genre-là. Nous, en 1995, le produit nous a été amené à notre service INRAN, dont la mission de l'INRAN d'abord euh, était vraiment euh, plutôt d'aider les producteurs, que ce soit en, agro-pastoralisme, en agro-silvo-pastoralisme. Donc nous avons pris ces produits pour dire, ben, en fait, au lieu de, s'intéresser seulement à l'horticulture, nous, on voulait essayer d'aider les producteurs. Donc, euh, c'est prendre ces retenteurs, voir comment est-ce qu'on peut les appliquer dans, des, dans les grandes cultures ou dans des cultures irriguées. Nous avons deux problèmes au Niger. Nous avons le, déficit saisonnier et récurrent euh, au niveau de en chaque campagne du, du, du climat. Nous avons aussi en saison en hivernage, en culture irriguée, nous avons une forte demande à nous. Euh, monsieur Dantatala savent qui, font le, Moringa. Ils savent qu'il y a des moments où ils apportent beaucoup plus d'eau qu'il le fallait, parce qu'il faut le faire. Donc notre objectif, l'INRA, c'était sa mission, d'abord d'amener d'aménagement sur euh, ce qui est le système de production agricole, donc en, important des, variétés tolérantes, soit dites tolérantes à la sécheresse, et des, des techniques culturelles qui peuvent permettre aux producteurs de mieux produire. Donc c'est comme ça l'occasion nous est venue de dire mais il faut peut-être utiliser cette technologie autrement, aider les producteurs à, au moins surmonter ce déficit pluvieux et diminuer aussi la, forte demande en, en eau d'irrigation. Donc nous sommes partis sur les cultures maraîchères. D'abord, en 97, nous sommes allés sur le terrain, donc après deux ans d'études au, niveau du laboratoire, pour voir un peu vérifier tout ce qui est dit à propos du, produit. Ami sans, sans vous couper, quelle est la composition de ce produit C'est un produit qui est composé à, base de l'amidon. Donc, c'est l'amidon, la classique de l'amidon que vous connaissez à, à base de, de, céréales, à base de tubercules. Donc, c'est ça qu'on prend. Mais c'est que au lait, un travail qui a été fait qu'il fallait enlever certains sucres, qu'il fallait fortifier certaines euh, molécules, donc les acrylamides et les acrylates, les, les monomères. Donc ça, ce sont des, molécules qui sont juxtaposées, qui permettent au produit de prendre beaucoup plus d'eau, autrement 400 fois son poids, et ça peut lui permettre aussi de durer, la durabilité, ça fait peut-être de 5 à 10 ans. C'est ça qui le différencie des, simples euh, amidons qu'on connaît un peu, euh, de la, qui sortent de, farine de maïs, de farine de, du bleu et du manioc. C'est la durabilité et la capacité absorber l'eau. est-ce que ces produits que vous utilisez là sont accessibles euh, aux producteurs nigériens Les produits que nous utilisons, euh, en fait, euh, aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que ces produits-là, d'ici maximum deux ou trois semaines, Sinon, les produits sont là. Mais vous savez, au niveau de l'Iran, quand on amène, quand, quand, vous prenez par exemple, entre parenthèses l'engrais, chaque engrais qui est vendu au Niger, l'INRAN d'abord fait une étude sur les, engrais, savoir est-ce que c'est normalisé. Une inspection. Une inspection. On prend au niveau des Caïma et tous les autres que Caïma a autorisé à importer les, engrais. Il faut d'abord que l'INRAN fasse certifie d'abord. D'abord certifie que ces engrais sont normes. C'est normal, ils sont dans, les doses euh, normales de, chaque euh, élément qui est dessus. Et maintenant, c'est le même cas que les produits. Nos produits, nous savons qu'ils prennent 300 à 400 fois son poids. Et nous savons qu'il va avoir une durabilité d'à de 5 à 10 ans. Donc, si les produits, euh, la société qui, a décidé d'importer, il faut qu'elle fasse au moins ces analyses-là. Donc, c'est ça qui va prendre peut-être deux ou trois semaines, ou voire quatre, semaines, pour vous dire qu'à partir de, de, fin avril, ces produits seront accessibles la société qui a décidé de l'importer. Le coût donc le coût, en fait, euh, c'était ça aussi, parce que là, le coût, les producteurs, pour la première importation, il faut qu'ils voient avec les producteurs. On avait fait des propositions. D'abord, c'est un truc qu'on amène pour les producteurs. Il faut qu'on voit les plateformes paysannes. Il faut qu'on voit euh, certains producteurs qui sont aux alentours de Niamey ou qui font les cultures maraîchères, pour essayer de voir comment, quelles sont les formules qu'il faut appliquer. Parce que vous voyez directement que l'engrais, comme j'ai dit, il est subventionné. Sinon, l'engrais, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de risque sur euh, la santé des populations. En ce qui concerne, euh, des études ont été faites par des sociétés canadiennes autour des produits. La molécule de ces produits-là est trop forte et trop grande pour passer à, travers les, cultures. Donc il n'y a aucun danger et les produits, il n'y a aucune euh, contamination bioaccumulation, bio, parce qu'au moins, les molécules ne vont pas rentrer en travers les racines ou des trucs comme ça. Et puis le rôle des produits, c'est juste une réserve d'eau. Il n'y a rien de chimique. Amisou Alassane, quels sont les différents types de sols adaptés à l'utilisation de ces genres de produits En tout cas, les produits, nous avons essayé de, prendre d'abord les sols les plus difficiles. Nous avons pris le maximum, de, les, résultats que nous avons eus sont issus des, sols très difficiles. Des sols d'abord ferreux, des sols euh, euh, complètement dénudés, pauvres, comme les cas de, plus de 50% euh, ou même plus de 50% ou 80% de sols nigériens sont vraiment des, sols très pauvres, sols sablonneux ou argilés, très argilés, mais pauvres aussi, où vous avez des, sols qui sont totalement euh, des sols, euh, comme on dit, dénudés, des, des caillasses qui sont complètement dénudés ou des sols qui sont peu profonds. Donc nous avons pris trois régions pour comparer, pour prendre tout type de sol que nous avons au Niger. Et les résultats sont concluants. Les, résultats sont concluants sur tous les cas. Nous avons eu des accroissements en, ce qui concerne le, le, les de, 90 à 109 Nous avons eu des accroissements en ce qui concerne les niébés de 50 à 168 Nous avons eu des, accroissements en ce qui concerne le sorgho de, là aussi de 50 à 160 Ça c'est ce qui concerne les grandes cultures. Mais si on revient sur les cultures irriguées, nous avons eu jusqu'à 200 un accroissement de 200 pour les choux, 168 aussi pour la lutte. C'est énorme. Ah, donc c'est vraiment énorme. Et à partir d'une demi-dose. Et les produits a pu supporter la culture pendant une séquence sèche d'à peu près 35 jours, c'est de tous les cas. Madame euh, Pana Nafisa Hamidou, vous êtes une promotrice de l'entreprise Salma qui est spécialisée dans la fabrication d'aliments pour bétail. Présentez-nous un peu votre structure et son importance euh, pour le pays. Comme vous venez juste de le dire, c'est une entreprise créée en 2014 euh, par moi, qui est spécialisée dans la production et vente d'aliments bétail à base des produits locaux, donc les résidus de, récolte. L'historique euh, de, l'entreprise m'est arrivé parce que avant de créer mon entreprise, j'ai eu une euh, formation de base de stage femme Après ça, j'avais eu, euh, j'avais fait ma spécialisation en jarre et plaidoyer. Donc, ce qui m'avait amené à travailler au niveau de la plateforme paysanne du Niger en tant que conseillère en jarre et plaidoyer. Donc, et côtoyant les, agriculteurs avec grand tas, donc et spécifiquement les éleveurs, à chaque fois lors des rencontres, leur seul problème c'est euh, l'approvisionnement en aliments bétail de bonne qualité. Parce que ce que nous avons ici au Niger, c'est que nous avons, euh, les pas et les fourrages que nous avons ne, euh, n'ont pas cette qualité-là que nos éleveurs euh, recherchent. Bon, je suis dit, mais pourquoi à chaque fois le problème d'approvisionnement en, aliments bétail de bonne qualité Et c'est là où j'ai eu la chance d'aller visiter des travaux qui ont été, bon, des projets et programmes qui ont été financés par la Banque mondiale. J'ai vu l'activité que je suis en train de faire. Et l'activité, c'est toute simple, c'est vraiment pas compliqué, c'est une activité de l'INRAN. La formule que j'utilise, c'est une formule de, de donc de l'État, ça vient de l'État. Et je me suis dit, mais est-ce que moi, en tant que personne privée, est-ce que moi je peux vulgariser euh, la formule en question Parce que chaque fois, il y a la formule, mais personne ne vulgarise. Et euh, euh, bah, je, me suis, accourue pour euh, rencontrer les chercheurs de l'INRA, ceux qui, qui, qui, étaient à la base de, cette recherche-là. Ils m'ont dit, mais écoute, nous, on cherche des, personnes comme, comme toi. Nous, on fait la recherche on vous laisse la latitude de vulgariser, mais c'est un peu compliqué vu le contexte de, <laughs> dans lequel nous sommes. Mais bon, je me suis dit, bah, écoute, lance-toi. Et sincèrement, en 2014, je me suis lancée dans la production euh, de ces animaux à partir, à partir de, des résidus de récolte. C'est pas grand-chose. Parce que si, peut-être si je peux au moins énumérer quelques matières premières, il y a le tige de mille tige de sorgho, parce que euh, dans la composition, au moins, il y a sept ou huit produits. matières premières. donc il y a les tiges de mille. donc après euh, la récolte, l'agriculteur enlève l'épi de mille. Moi, c'est que j'ai besoin c'est les tiges de mil. Alors qu'avant, les tiges de mil, euh, les agriculteurs les laissent comme ça, à part faire, euh, comment on appelle ça, je sais pas, des, oh oui, des sécos, ils ne font rien avec. Alors les que, clôtures. Oui, les clôtures, tout à fait. Ils rejettent les, résidus. Donc, je suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser cette formule et vulgariser, et vulgariser ce, cette formule Donc, c'est à partir de là, je me suis lancée. Vous voyez, le Niger, l'élevage est à 11% du PIB en 2012. Donc, pour vous dire que l'élevage au Niger, dès que vous, prenez une maison, vous allez dans toutes les maisons, si vous voulez, à moyenne, <laughs> il y a plus d'éleveurs que d'agriculteurs au Niger. Hein. Je, je, je, parle sous le contrôle de monsieur qui, de l'INRAN qui est là. Donc, le Niger, c'est un pays d'élevage. Il y a tellement, tellement, tellement d'animaux. Et nous avons des problèmes d'approvisionnement en, aliments bétail de qualité. Ce qui fait que l'État, chaque fois, paye les aliments de bétail dans d'autres pays. Et quel genre d'aliments bétail Ce pas des aliments bétail qui sont vraiment de bonne qualité. Et moi, je me suis dit, bon, écoute, ça, c'est un défi en tant que femme, surtout, c'est un métier d'homme. Parce que même hier, j'étais à une rencontre de l'INRAN. Il n'y a que des hommes dans, dans la vente d'aliments bétail. Personne ne produit. Bon, je connais pas. Ou, même s'ils produisent, ce sont les hommes. Je suis la seule femme actuellement <laughs> qui fait la production de l'aliment bêta à base des résidus de récolte. Euh, par jour, vous pouvez faire combien de sacs euh, Oui, je fais. Oui, parce que maintenant j'ai une petite capacité. Euh, j'emploie sept personnes. Donc, j'ai deux machines qui me fait le broyage des aliments parce que la machine que j'utilise c'est une machine locale faite par le CEDERMA de Dosso. Donc je, euh, avec la machine que je broie les, aliments, tout le reste de la chaîne, euh, c'est vraiment manuel. Pour le moment, c'est vraiment manuel. Vous n'utilisez pas d'autres produits chimiques hein? Non, il n'y a pas de produits chimiques parce que il y a le, calcaire, le phosphate tous sont des produits vraiment pas, pas chimiques. Hein. Il y a le, le gao, le son de blé, le tourteau de coton. Donc tout ce que j'utilise, c'est vraiment, vraiment naturel. Et y compris même les, les, résidus du moringa. Les résidus du moringa sont très, très, très bien pour la production d'aliments bétail. Et euh, maintenant, comme je n'ai pas une grande capacité actuellement de production. Je fais en moyenne 40 sacs par jour. Donc, à peu près deux fois, ça dépend. Madame Bana Nafisa Hamidou, avec quels moyens vous arrivez à mener toutes ces activités euh, Jusque-là, l'entreprise euh, roule sur fonds propres. sur fonds, sous fond propres. C'est seulement euh, ces jours-ci, il y a euh, BRMN, c'est euh, le bureau de restructuration de mise à niveau, qui maintenant qui, qui va commencer euh, à, m'appuyer. Et là, ils ont fait une étude sur l'entreprise, mais actuellement, ils vont prendre seulement deux aspects. La publication, donc dans les spots publicitaires, faire connaître le produit, parce que sincèrement, les gens ne connaissent vraiment pas le produit. Et euh, aussi euh, la, la, gestion de la comptabilité, parce que quand <laughs> une petite entreprise a besoin de soutien au niveau de la comptabilité. Et aussi, euh, bientôt, j'aurai un autre fonds qui, bon, c'est pas encore euh, sorti, <laughs> sorti, c'est pas encore OK, mais je suis encore là, là-dessus. Sinon, jusque-là, l'entreprise roule sur le fond propre. Madame Bana Nafisa Hamidou, chaque année, ce sont plusieurs tonnes d'aliments pour bétail que l'État et ses partenaires importent pour euh, soutenir euh, les pasteurs. Comment cette innovation peut-elle contribuer à l'émergence de ce secteur Oui, au niveau de deux côtés. Par, exemple, l'agriculture en gagne parce que quand, au lieu de jeter les résidus de récolte, j'achète les résidus de récolte. Donc, eux, ils gagnent deux fois. Deuxièmement, vu que le Niger est un pays d'élevage, au lieu d'aller mettre l'argent dans un autre pays, pourquoi ne pas utiliser cet argent-là Éviter la fuite des capitaux. Des capitaux. Encourager les entreprises nigériennes, encourager les jeunes entrepreneurs surtout, <laughs> je peux dire les femmes parce que c'est les femmes qui sont un peu <laughs> Donc, d'encourager les, euh, jeunes entrepreneurs nigériens, de croire en eux. Parce que le problème, c'est ça. Les gens pensent que non, parce que nous sommes euh, jeunes entrepreneurs. Non, on n'a pas confiance en nous. Non, on est incapable. C'est ça que c'est le mot que je cherche. On est incapable. Non, on n'est pas incapable. La, la personne chez qui vous achetez 10 000 tonnes, il avait commencé comment Mettez l'argent là pour produire. Et puis, pour, personne, moi, j'emploie cette personne. C'est pas n'importe quoi. Cette personne, chaque fin du mois, cette personne, je dois payer cette personne ici au Niger. Vous voyez qu'est-ce que ça fait Sans compter <laughs> l'achat des matières premières. Oui, des matières premières. Donc, les charges directes, les charges indirectes et tout. Vous voyez, même l'emballage. L'emballage qu'on commande, l'emballage coûte excessivement cher pour avoir un produit fini, emballé, bien emballé. Ça coûte excessivement cher. Donc, on a besoin de l'État. Il faut que l'État croit en nous. Et puis, moi, ce qui me fait un peu mal, bon, je veux dire mal, la formule, c'est une formule de l'État. Mais pourquoi l'État n'investit pas dedans pour vulgariser ce produit tout le monde semble être unanime que c'est en irriguant les terres que doit venir le développement économique dans un environnement hostile, férolosité des banques, manque de fonds propres des agriculteurs, manque de formation, aléas climatiques, etc. À ces problèmes bien connus s'ajoute une insuffisance d'organisation des agro-entrepreneurs, le manque de qualification, la non-maîtrise du marché et surtout le manque d'accès à la terre. Pour contourner euh, cet obstacle, les promoteurs d'entreprises agricoles comptent d'abord sur leur propre engagement. Madame Bana Nafis Hamidou, quelle est votre ambition pour le pastoralisme mon ambition pour le pastoralisme, c'est qu'on a euh, des difficultés pendant la période de soudure. La période de soudure commence en mars, de, mars en juin. Donc, on, constate plusieurs euh, décès, je ne sais pas comment on peut le <laughs> oui. en termes techniques, comment plusieurs mhm. décès d'animaux. Donc, pour pallier à tout ça, mon entreprise est là pour pallier à tout ça. C'est de, de réduire le nombre de mortalités au niveau des animaux, si je peux le dire ainsi. Madame Bana Nafis Samidou, comment faire face au déficit fourragé que le Niger enregistre chaque année Waouh, waouh, waouh, ça c'est toute une organisation. Ça, je suis vraiment pas très spécialiste dedans, mais la, dernière fois, hier, il y avait une étude qui a été menée. Dans les recommandations par un chercheur de l'INRAN, dans les recommandations, il avait dit de. on, a, le fourrage, mais pas le fourrage de bonne qualité. C'est ça, c'est d'avoir des fourrages vraiment de bonne qualité pendant la période, euh, euh, pendant la saison pluvieuse et qu'on peut y stocker jusqu'à pendant la période de soudure. Parce que moi, j'ai besoin de ces fourrages pour les enrichir et donner ça aux animaux. Madame Bana Nafis Hamidou, en dehors de la transformation d'aliments pour bétail, avez-vous d'autres domaines d'intervention Oui, euh, je suis spécialiste en genre et plaidoyer, donc je, fais des consultations en matière de genre et plaidoyer. Donc je fais des consultations. La dernière fois, j'avais fait une consultation au niveau du registre AG, c'est un programme de l'USAID. Donc en dehors de ça, c'est ce que je fais sous Alassane, l'élévation des températures moyennes et des variabilités pluviométriques sont attendues chaque année. Comment s'en accommoder Ou encore, comment se dire que la chasseresse n'est plus synonyme de famine Ok, merci. Euh, en fait, à cette question, il est, très simple. Parce que nous, euh, c'était l'objectif, comme j'ai dit, d'abord la mission de l'INRAN. Et puis, euh, grâce à ces produits hydro-retenteurs, comme j'ai dit, nous avons réussi à, faire en fait supporter pendant 35 jours une séquence sèche, donc un manque de pluie pendant 35 jours à une culture genre le sorgho, les mil et les niébé, ça n'a pas eu hypothéqué nos rendements. Mieux, ça nous a même permis d'accroître ce rendement-là, malgré cette séquence sèche. Au moment où nous allons avoir zéro comme euh, rendement, nous avons eu un accroissement important. Parce que si je me réfère à mes données, moyennement, c'est qu'au niveau du sorgho, nous avons eu 181 kilos à l'hectare suite à cette séquence dans les témoins qu'on appelle le contrôle, là où on n'a pas appliqué les produits hydrotentaires. Par contre, là où nous avons appliqué les hydrotentaires, nous avons 1400 kilos à l'hectare. Ça, c'est en moyenne. Donc vous voyez euh, l'accroissement, pourquoi il est très fort. et ça, c'est l'effet seulement des hydrotentaires par rapport au manque d'eau. Et au niveau des, cultures irriguées, nous sommes partis de la demi-dose. Donc autrement, les producteurs mettent 18 litres par mètre carré en saison forte, en cette période. Mais nous, avec l'hydrotentaire, nous avons mis 9 litres au mètre carré. Et ça nous a permis d'avoir ces accroissements de 200. Donc, au lieu d'avoir 15 tonnes à l'hectare avec 18 litres par mètre carré, nous avons mis 9 litres par mètre carré, mais nous avons eu à peu près 27 tonnes à l'hectare de choux, de, de Mais par contre, pour les choux, avec la demi-dose, nous avons eu 66 tonnes à l'hectare de, choux, de paumés. Je ne dis pas choux feuilles, choux paumés. Par contre, au niveau des témoins, nous avons eu 27 tonnes à l'hectare, mais avec 18 litres par mètre carré. Vous Voyez donc ici, ça nous a permis d'économiser, mais encore de booster le rendement grâce à ces, euh, ces, ces là Donc le seul moyen aujourd'hui que je, vois bien, c'est l'utilisation rationnelle des, euh, des retenteurs pour toutes les cultures Même quand, pour répondre un peu à la question que vous avez posée à madame, aujourd'hui nous sommes, avec ces produits, nous sommes dans les riz. Et qui dit culture des riz, quand vous prenez le bourgou par exemple, vous pouvez produire bourgou avec hydro-retenteurs, avec peu d'eau en irrigation. Et ça pouvait vous permettre de, de traiter les zones d'inclusion, là où il y a des zones sont complètement dénudées, il suffit seulement de faire un rabour et puis épandre les produits hydroétentaires, vous allez avoir rapidement le retour de l'herbe quand même qui sera supportée parce que l'herbe, on sait bien que les racines sont un peu superficielles. C'est ça le, rôle aussi, l'un des rôles clés de ces hydroétentaires-là. Ça corrige l'érosion et hydrique. Ça permet aussi à des, des herbes, surtout l'herbe, qui n'a pas de racines qui sont en profondeur. Ça, c'est un truc qu'on peut faire euh, facilement. Donc, ça peut corriger ces manques de fourrage. Et si vous venez au niveau de, des arboricultures, nous avons testé ces produits-là sur tout le, le, plan, sur les manguiers, sur les agrumes, sur les moringas aussi. Donc nous avons testé ces produits-là qui peuvent, quand même essayer de, de diminuer la charge, l'augmentation de mettre de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une culture hypothétique. Donc, juste mettre les produits dans des pots et puis mettre un peu du sable. Vous pouvez planter le de, cultures sans pour autant arroser pendant près de deux ou trois semaines. Amisou Alassane, notre pays n'est-il pas en retard dans le cadre de la recherche des stratégies plus adaptées le, pays ne peut ne pas arrêter. Par exemple, quand vous prenez cette technologie, le Niger était parmi la sous le premier pays à avoir cette technologie. Nous avons ça depuis 95. Mais jusque-là, ça n'a pas été vulgarisé. Euh, ça n'a pas été vulgarisé, c'est comme ce que j'ai dit. J'ai dit, les produits, nous avons travaillé, nous n'avons pas fini de travailler. Aujourd'hui, ce qui nous a permis d'amener ces produits pour les exposer, nos résultats, exposer nos résultats, c'est parce que tout simplement nous avons la garantie qu'il y a un commerçant, une société qui est capable d'importer ces produits-là. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est de voir quel est le prix qui sera affecté à ces, produits-là. C'est vraiment une technologie récente. Comment ces innovations influencent-elles les pratiques agricoles au Niger Ces influenceraient les pratiques agricoles parce qu'il euh, y a moins de travail. Hein. Il y a la garantie pour la production il y a l'augmentation de ces rendements. Donc trois En dehors de ces trois facteurs, les produits hydrotenteurs luttent contre la pollution de l'eau. Ça vous permettrait d'économiser les engrais. Parce que lorsque vous appliquez conformément, comme selon nous, avons euh, les études que nous avons, les résultats et les études que nous avons faites, l'autre apport d'engrais serait retenu par les produits d'à peu près jusqu'à 75%. Ousmane Dantata, en dehors de la transformation du Moringa, votre structure Afrique Fondation Jeune est spécialisée aussi dans la fabrication des appareils de production de la fraîcheur. Explique-nous euh, comment ça se passe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, ce qui, ce qui nous intéresse euh, surtout, c'est de regarder comment à chaque fois nous créons euh, des emplois pour les jeunes. Vraiment, c'est notre souci quotidien. Maintenant, dans le cadre de la de l'exploitation euh, des sites que nous avons, on s'est rendu compte que l'un des problèmes euh, vraiment qui, qui retarde euh, la croissance des plantes, euh, c'est euh, un peu la on va dire la grilleur du climat parce que il y a des moments comme dans cette période là où il faut faire beaucoup d'efforts en eau et en plusieurs dans plusieurs domaines en tout cas pour arriver à produire. Et on s'est rendu compte que l'une des choses en tout cas qui est vraiment euh, importante, c'est que quand il fait trop chaud, la plante, elle arrête sa photosynthèse généralement, et euh, ou même quand les, les, fleurs ont été euh, bitunées par les abeilles et qu'elles sont pollinisées, en fait, les fleurs avortent parce qu'il fait trop chaud. Donc on s'est rendu compte que il faut trouver des solutions et parmi les solutions, on a on s'est dit bon, par exemple les pneus que nous prenons, des pneus, des bouteilles qu'on récupère et on peut effectivement arriver à faire baisser de la température avec peu de moyens, d'accord, et avec euh, quand même des outils qui ont été euh, qui ont été jetés, donc on peut recycler. Euh, du coup, nous avons créé ce qu'on a appelé l'agro-fraîche, qui au début était pour une exploitation vraiment sur nos productions agricoles, a de plus en plus, en fait, a même une plus une utilisation aujourd'hui domestique. Euh, puisque ça permet vraiment de rafraîchir l'air. Vous pouvez mettre ça sur votre terrasse ou dans la cour si vous êtes euh, assis. Ça permet donc de casser la température. D'où est venue l'idée de la création de cet appareil Bon, c'est-à-dire que euh, on observe beaucoup parce qu'en fait à Goudel, euh, ce que nous appelons l'agropole de Goudel, c'est pour nous un centre de vraiment entre griffes, mais vraiment très humblement de recherche, de recherche action. Donc on se, on va par essai erreur, par intuition, etc. On lit beaucoup, on essaye quand on voit quelque chose de se, renseigner pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, on s'est rendu compte que, par exemple, et ça, on l'a fait, on, a d'autres applications hein, de, pour casser la température, par exemple avec des bouteilles, les petites bouteilles d'eau ou bien des petites bouteilles de jus. Quand vous les perforez, vous faites passer de l'eau dans ces bouteilles, euh, vous faites une, aspersion. Euh, on s'est rendu compte que l'eau qui monte quand l'eau monte, en fait, euh, sa température est relativement élevée par rapport à celle qui, qui va chuter. Donc il y a une chute de température quand euh, l'eau tombe. Donc on on a fait des, euh, un peu de recherche documentaire, etc., pour se rendre compte que c'est un effet physique qui est constatable partout au monde. Donc on utilise ça pour que dans le pneu, nous faisons chuter de l'eau pour faire baisser la température. Nous avons aussi lu que, euh, lu et observé que chaque fois que le vent, en fait, l'air va passer par un orifice euh, plus petit, quand il sort, sa vitesse s'accélère et sa, sa, température chute. Donc à partir de ce moment, il y a aussi des applications hein, avec des bouteilles euh, qui existent. On n'a pas été l'inventeur de ça, on a, euh, mais le fait d'intégrer euh, la chute de, de l'eau et la sortie de, de l'air en essayant d'utiliser par exemple des ventilateurs de, de réfrigérateurs. Euh, ça, c'est cette combinaison, c'est nous qui l'avons faite. Euh, ça, c'est indéniable et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Ousmane Dantata, est-ce que ces genres d'appareils peuvent être utilisés euh, dans les habitations familiales Oui, oui, absolument. Nous avons, euh, moi-même chez moi, euh, j'en ai, j'en ai. On a des essais, des personnes qui, testent ça depuis plusieurs, plusieurs semaines. effectivement, dans une pièce, quoi. Ça n'a pas de, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est commercialisable. Hein. Nous, c'est ça notre souhait. C'est-à-dire que nous, on veut, euh, ça c'est un modèle d'entreprise. Parce que l'idée, c'est que on crée, à partir de ça, on a une entreprise école. Cette entreprise école permet à cinq euh, corps de métier d'y travailler. On a des gens qui vont aller chercher des bouteilles, des pneus un peu partout. Ça, c'est un métier. Le deuxième métier, c'est par exemple celui de, de pouvoir perforer euh, ces pneus avec, euh, en respectant quand même des normes, euh, c'est un deuxième métier. Celui qui va faire l'assemblage de tous ces éléments, c'est un métier. Celui qui va faire la peinture, c'est un métier différent et celui qui va mettre, euh, par exemple, les ventilateurs, l'électricien, c'est aussi un métier. Donc vous voyez, ça encore, c'est un chaîne de valeur. Pour faire un objet, au lieu que ce soit une seule personne qui va aller faire de la récupération, faire de la, la perforation, faire le cordelage, etc., eh bien chacun a effectivement une partie du travail et ensemble, on réalise quelque chose que tout le monde euh, peut relativement trouver intéressant à la fois dans l'utilisation mais aussi dans le prix. Cet appareil, ça coûte à peu près combien Là, on est à 14, 500 euh, que nous le vendons, on est en train de développer, euh, de l'améliorer. Mais donc, euh, même ceux qui achètent aujourd'hui, nous leur promettons que dans les trois mois, euh, il y a des améliorations qui vont se faire et nous allons rappeler ces produits pour essayer de leur donner des, des produits améliorés. Notre souci, enfin, ce n'est pas un souci, notre ambition, c'est de dire que euh, dans quelques années, nous voudrions qu'il y ait des centaines d'entreprises de micro-entreprises comme ça qui vont transformer. Nous, c'est pas pour qu'on le retienne pour nous. Moi, c'est mon souci, ma mission, c'est de voir comment tous les jours, un jeune Nigérien, je peux dire, j'ai une nouvelle idée pour qu'il ait du travail ou qu'il crée une entreprise. Donc, celui qui vient nous voir, qui nous dit je, veux être autonome euh, euh, sur le plan euh, des revenus, etc. Bon, nous, même s'il n'a pas d'idée d'entreprise, on peut lui dire voilà ça. Ousmane tata, est-ce que vous avez commencé à vendre ce genre d'appareil? Oui, là on a depuis le salon de l'agriculture, le Sahel, nous avons plusieurs commandes. Donc en fait, nos équipes pour l'instant sont occupées il n'y a, pas de problème, mais on voudrait euh, davantage vulgariser. J'espère qu'avec euh, euh, cette émission, d'autres personnes vont pouvoir en tout cas s'intéresser à ce que nous faisons. Ousmane Dantata, est-ce que c'est facile d'entreprendre ici au Niger <laughs> Non, je pense que il faut bien reconnaître. Moi, ça fait, euh, je vous dis, euh, plus de 20 ans. Je suis plus jeune. Moi, je ne, ça fait longtemps que j'ai dit je ne suis plus jeune. Euh, voilà. Mais quand j'étais jeune, j'avais 20, 23 ans, 24 ans, je voulais entreprendre. Euh, à l'époque, par exemple, pour ouvrir un compte à l'époque, on disait la, la, la BIA, il vous faut euh, un salaire de 200 000 et un dépôt de 200 000 francs, d'accord, en 92. Donc vous êtes un jeune qui sort de l'école, vous voulez créer une entreprise, c'était quasiment impossible. voilà, moi je, me rappelle, des gens euh, ont, eu à me conseiller, à se réunir même pour me dire, écoute, euh, ce que tu veux faire, c'est de la folie. Mais bon, entreprendre, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut être extrêmement persévérant. Et il faut aussi se dire, c'est une logique de vie. Quand vous entreprenez quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous allez être euh, éprouvé par le destin. D'accord. Rien ne sera facile. Et celui qui croit qu'il a eu de la chance, lui, il a eu, tout s'est bien passé, je lui dis, il n'a qu'à se préparer à des lendemains qui déchantent. Parce que si vous n'apprenez pas des difficultés, eh bien, vous n'allez pas grandir en vous musclant. D'accord C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Moi, je dis à la limite qu'on arrête de décourager les jeunes en disant les choses sont compliquées. Dites-moi, qu'est-ce qui est facile Qu'est-ce qui est facile Quelqu'un voit votre métier, il se dit ah c'est super, j'aimerais bien être comme monsieur euh, journaliste, je veux être etc. Mais il ne sait pas qu'est-ce que vous bravez tous les jours. Donc il n'y a rien de facile dans cette vie. Il faut qu'on arrête de dire aux jeunes que entreprendre ça peut être difficile. Oui, c'est difficile, mais imaginez que c'est il faut être un homme orchestre. Un entrepreneur, il faut qu'il soit un artiste. Il faut qu'il soit quelqu'un qui va plaire aux gens plaire dans le sens où ce qu'il va faire, s'il ne le fait pas pour, euh, pour que les gens l'achètent, eh bien, ils vont pas l'acheter. Il faut qu'il soit un manager. Euh, même si c'est deux personnes que vous devriez diriger, c'est deux personnes qui acceptent de vous suivre, que vous allez commander, etc. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont difficiles. Mais aussi on a un environnement qui est complexe, qui est compliqué. On est dans un pays où, bon, c'est tout ce qui vient de l'extérieur qui a d'abord une valeur. Madame Bana Nafisa Hamidou, qui sont vos clients Comment vos clients apprécient-ils vos produits Au début, c'était tellement difficile d'avoir un seul client. C'est pour rebondir à, ce que mon prédécesseur vient de dire. L'entrepreneuriat, c'est pas vraiment facile, mais quand même, il faut aimer ce que vous faites, l'amour de ce que vous faites. Mes clients au début, euh, c'était seulement des personnes, mes parents, amis et connaissances parce qu'il a fallu que je, leur dise, supplier de, tester ce produit. Ils me disent non, ils ne connaissent pas. Non, non, on ne connaît pas. Et puis le Nigérien, <laughs> quand il ne connaît pas un produit, c'est un peu compliqué. Au début, c'était vraiment ma, famille. Mais maintenant, par l'évolution des choses, après 4 ans, maintenant tout le monde, les, les, gens qui ont des rentes, ils viennent, ils commentent. Maintenant, bientôt, je vais commencer avec les, programmes et projets qui sont dans, qui achètent, qui, achètent l'aliment bétail. Et voilà, c'est en train d'évoluer. Et moi, quand j'avais créé l'entreprise, mon idée, c'était quoi? C'est les gens qui sont au niveau des, des villages c'est cela que j'aimerais atteindre. Parce que... Madame Bana Nafis Hamidou, on n'a pas assez de temps. Comment faire face à la concurrence C'est vraiment compliqué. Seul l'État, l'État peut dire non, arrêter. Il faut qu'on fasse la vulgarisation de nos produits locaux. Il faut que nous, État, ministère de l'élevage, prenons chez une telle ou bien chez telle entreprise. Grâce à ça, peut-être, ça, ça, va. <laughs> Hamissou Alassane, proposez-nous rapidement des solutions pour que les révolutions technologiques et les innovations agroécologiques et pastorales euh, contribuent efficacement au développement socio-économique du Niger. Merci, mais c'est comme euh, ce que madame a dit. En fait, vous savez, euh, les concurrences, il n'y a que l'État qui peut en fait encourager les gens de ne pas importer. C'est le premier pion d'abord, parce que si l'État lui-même mais ces moyens pour prendre à partir de ces entrepreneurs, de ces entreprises qui sont au Niger, je vois bien que euh, du mal à ce que euh, des autres commerçants viennent. Il y a des, des, systèmes qui fait, euh, c'est ça le, rôle même de, la, de, la, douane en quelque sorte. Quand on importe, on taxe. Mais quand tu achètes dans ton pays, il n'y a pas de taxe. Donc c'est un peu le rôle comme ça. Mais c'est que c'est l'État seulement qui le fait. Mais nous, pour, nous, pour ce qui concerne les produits de cette technologie qui est là, d'abord la vulgarisation, en quelque sorte, ce sont des projets seulement. L'INRAN, c'est un service de l'État, c'est des projets qui peuvent investir pour qu'on passe faire des investigations, on passe par faire des essais à l'intérieur de ce qu'on appelle un milieu paysan. Cet essai que nous avons fait dans les quatre régions, c'est effectivement une société qui a financé ces travaux-là pour tester les produits, voir s'ils répondent à la norme comme ça pour qu'ils puissent importer ces produits-là. Aujourd'hui, la société a déjà commandé ces produits-là parce qu'elle a eu, on a eu des résultats qu'on lui a proposé qu'elle est en train de ramener ces produits-là maintenant. le question aussi de cette concurrence peut-être fera aussi un autre frein. En termes de conclusion, retenez que produire en toute saison des cultures bio, euh, tel est le défi des pays sahéliens en général et le Niger en particulier. L'objectif global de la recherche de toutes ces innovations est de parvenir à l'émergence d'une nouvelle forme d'agriculture et d'élevage pour assurer la sécurité alimentaire et le développement du Niger. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec Ousmane Dantata, promoteur d'Afrique Fondation Jeune, une jeune structure spécialisée dans la transformation du moringa et la fabrication d'appareils de production de la fraîcheur. Madame Bana Nafisa Hamidou, promotrice de l'entreprise Salma spécialisé dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nous étions également avec euh, Hamissou Alassane, promoteur de l'hydro-rétenteur, un procédé qui permet de la rétention de l'humidité autour des jeunes plants et des semis. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.